Vraiment, les gens sont sortis massivement pour voter et ça s'est passé dans le calme. On est là depuis le matin. On n'a constaté aucune perturbation. Tout se passe dans le calme. Il n'y a aucun problème au cours de ces votes.